Merci. Je vous remercie, mes chers collègues. En ma qualité d'élu du peuple, je voudrais, à l'entame de mon propos, me réjouir de cette excellente initiative de criminaliser le viol, la pédophilie et de saluer la volonté du gouvernement sénégalais d'aggraver certaines peines concernant les attentats au mars. Ce projet de loi numéro 20-2019 modifiant la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal vient à son heure et permettra à notre pays de reprendre sa place de leadership dans la sous-région en matière de promotion du droit des femmes de manière générale. Bien que moult efforts soient consentis en la matière et du fait que notre pays ait été toujours les premiers, parmi les premiers à prendre certaines décisions et faire montre de courage politique, comme l'atteste le Code de la famille de 1972 et qu'il faudrait à l'avenir réactualiser pour davantage le moderniser et l'adapter aux préoccupations des générations actuelles et futures. Il faudrait aussi que ces efforts continuent afin de revoir certaines lois qui portent atteinte aux droits humains pour permettre à, notre pays d'être en conformité avec les conventions que notre pays a signées et que l'Assemblée par la suite à autoriser pour sa euh, ratification, ce qui nous permettra de conserver notre place de leadership dans la sous-région et en Afrique de manière générale. Je voudrais magnifier et souligner le caractère inclusif dans lequel les parties prenantes, États, assemblées, organisations de la société civile, partenaires techniques et financiers ont travaillé et préparé ce, présent projet de loi pour une meilleure compréhension, car une loi est destinée aux populations. Ce projet de loi sera voté, car étant obtenu après de très hautes luttes, mais il serait bon de rappeler à tout un chacun, hommes et femmes, que les violences faites aux femmes et aux filles ne sont pas uniquement l'affaire des femmes, c'est un problème de société qui empêche les femmes qui constituent la moitié de la population sénégalaise de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux, mais aussi de participer, de contribuer au développement durable de notre pays. Monsieur le ministre, ayant fait ce constat, j'aurais suggéré que les conséquences du viol, comme certains

les conséquences du viol ndax kat booy dimbali nit war nga ko mën a jagleel paragraphe boo xam dina am njeexital ci biir exposé des motifs bi fi may jeexalee nag mooy formuler quelques recommandations ah ginnaaw bi ñu fi gisee coow lu li am fii kat doon na baax débat bi ñu jël ñu daal yaatal segam ñun parlement la am problème ñu am compréhension di fi sulli yenn yoo xam ne man jàpp naa amu fi place war nañu toog nak waxtaanee ko ndax kat nañ ko def bo gis nañ ko waxtane moko gën et que ça c'est un problème bu nga xam on a plusieurs définitions de concept kenn xamul lan moy viol amna ño xamné bo ne boo viol dañ na nan lo fa uti won mag ñi sax dañ leen di viol am violé am ñi nga xamné wéruñu ñi ngi leen di violé ñoñu war nañ leen jël en compte ci lepp lu ñuy daal di def aussi maa ngi plaider pour que nous ayons un comité national pour dédier aux victimes de viol ndax kat dina tax ni ñu amee CNLS ni ñu amee programme dédié à contre le paludisme ñu mëna tamit jël en charge préoccupation ñooñu fi may jéxalé nak moy ñun parlementaires yi loi bu ñëw ñu voter ko waane fi muy sooxee fi mbañ bi di bañé sa manja mànjaxaan nga moy duñu suivre et il faudrait que suivi bobu nonu daal def il faudrait que état bi ak partenaire technique au euh, développement Nous def des campagnes de sensibilisation ba paré harmoniser nak ci convention yi nga xamné ne dinañ di koy signer mu melni convention de Maputo ndax kat nit kaddom te gor ca je vous remercie. je vous remercie chers collègues.